le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum Dissidio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme Dissidio Kalangou qui sont diffusés en direct par 31 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.estudiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum d'Issidio Kalangu a pour thème Mariage des enfants au Niger, ampleur du phénomène et voie de recours, en un mot, ce que dit la loi. Le Niger est l'un des pays ayant le plus fort taux de mariage de mineurs du monde. Environ 115% des filles sont mariées avant leur 18e anniversaire. 28% d'entre elles sont même devenues des épouses avant leur 16e anniversaire, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF 2016. Cette pratique est particulièrement Ancré dans les familles défavorisées issues des communautés rurales, souvent peu éduquées et où les valeurs familiales traditionnelles sont très présentes. Cette prévalence est d'autant plus importante dans les territoires situés au sud du Niger jusqu'à atteindre le nombre critique de 89% dans la région de Difa selon le Fonds des Nations Unies pour la population FINIAP 2012. Avec nos invités, nous allons faire un état des lieux sur l'ampleur du phénomène du mariage des enfants au Niger, les avancées enregistrées pour son éradication et les voies de recours possibles pour protéger l'enfance ou la soutenir. Nous avons donc le plaisir de recevoir Maître Marou avocat à la Cour, il est le chargé du droit et plaidoirie de l'Association de défense et de protection des femmes et des enfants ADEP F Espoir. Maître Marou bonsoir. Bonsoir. Madame Salamatou Himou, chargée de l'éducation à l'UNICEF Niger. Et Alzuma Traoré, chargée des programmes de l'ONG Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales SOS FEV. Alzuma Traoré, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Madame Salamatou, qu'entend-on par mariage des enfants Le mariage des enfants, c'est toute union légale ou coutumière qui implique un garçon ou une fille de moins de 18 ans où tout mariage conclut sans le libre et le plein consentement des deux époux. Voilà de façon très synthétique ce que on peut appeler mariage d'enfant. Quelles sont les données sur le mariage des enfants au Niger Le mariage des enfants concerne en général tout le pays, mais il y a des zones où c'est encore plus prononcé. Sinon, le pourcentage des femmes âgées de 20 à 24 ans qui étaient mariées à l'âge de 18 ans est important. Et la moyenne nationale est de 76% pour le Niger. Avec des zones qui sont un peu plus prononcées que les autres. Par exemple, vous avez des régions d'Agadez ou de Dosso qui ne sont pas très très impliquées. Mais si vous voulez, ce, ce phénomène touche beaucoup plus les zones de Maradi, les régions de Zender, les régions de Tawa. Sans compter qu'il y a dans les régions quand même de Tilaberi, de Difa, vous trouvez, mais ce sont ces trois régions où sont concentrées la plupart de ce phénomène-là. Quelles sont euh, les difficultés réelles qui existent pour euh, réduire euh, le maraï des enfants Les difficultés sont de plusieurs ordres. Vous avez les coutumes et les traditions, les croyances, les inégalités de genre, la résistance de certains leaders face au changement. Il y a aussi des lacunes dans la législation. Il n'y a pas suffisamment de lois aussi, il faut remarquer que nous avons un peu, au niveau de l'insuffisance du courage politique, nous avons aussi quelque chose, bien que présentement, on a pris des arrêtés et des lois au niveau du ministère de l'Éducation nationale que nous saluons auparavant pour adresser ces questions au niveau des filles qui sont en cours de scolarité. Il y a la pauvreté économique. Vous savez que deux fois, en mariant la fille, les parents, c'est comme une charge qu'on enlève à la famille. Donc ça, c'est ce qui fait que quelqu'un qui est un peu plus aisé vient demander la fille qui le parent sait qu'elle n'a pas l'âge, mais du fait de sa paupérisation, il peut aussi consentir à ce mariage-là. Donc ça, c'est quand, même, quelque chose. Donc pour lui, c'est une bouche à nourrir de moins. À ce niveau, il n'y a pas le poids de la religion aussi Est-ce que c'est la, religion Peut-être la religion, mais avec les traditions et les coutumes. Les traditions et les coutumes sont là pour enfoncer, pour, si vous voulez, aller un peu avec, euh, avec la, religion. Nous avons aussi, du côté de, de l'État, il n'y a pas suffisamment d'offres. Les filles sont en train d'aller directement à l'école. Mais les filles qui ne peuvent pas aller à l'école, qui ne veulent pas aller à l'école, il faut qu'on trouve une alternative d'éducation. Et là, je profite pour vous dire que au niveau de UNICEF, nous avons déjà pensé à des choses comme ça où nous avons des alternatives pour la scolarisation des filles. C'est-à-dire des filles qu'on prend, même si elles ont quitté le système ou qui ont dépassé l'âge d'aller à l'école, elles se retrouvent, on les prend pendant un an, elles subissent ce qu'on appelle la stratégie d'accélération de la scolarisation. À travers des écoles passerelles Passerelles, voilà. les écoles passerelles. Elles font neuf mois. Les deux, trois mois sont faits à langue. L'enseignement est à langue. Et à partir de trois autres mois, les six mois qui restent, l'enseignement est en français. Donc là, une fois que c'est fini, il y a une évaluation. Et à la fin de cette évaluation, en fonction des niveaux, il y en a qui vont au niveau directement de CE1 au CE2 et elle retrouve le système formel. Mais il faut aller au-delà parce que la fille ne va pas à l'école parce que peut-être ce qu'elle veut ne, ne, se retrouve pas à l'école. Donc il faut ouvrir. Peut-être qu'elle va aller dans des centres de métiers, peut-être qu'elle va apprendre la couture. Et ça aussi, nous avons, à travers le ministère de la formation professionnelle, on a trouvé des centres de formation au métier où ces filles-là vont pour apprendre un métier, pour apprendre la cuisine, pour apprendre maintenant de plus en plus la couture, qui était un truc très classique. Mais vous avez aujourd'hui des centres où on apprend de la transformation agroalimentaire. Je vous rappelle juste la foire qui s'est passée il y a une, une semaine ou deux semaines où vous avez vu comment les femmes ont quand même produit pas mal de choses. Donc, euh, tout ça là, ce sont les actions menées par votre structure, l'UNICEF, pour lutter contre le mariage des enfants En tout cas, en partie, nous faisons ça. Nous intervenons dans la stratégie passerelle, mais aussi dans la formation au centre des métiers pour le ministère de l'Enseignement professionnel. Avant de continuer, je vous propose d'écouter quelques adolescents rencontrés en Niamey et qui s'expriment sur le mariage des enfants au Niger. On les écoutant. J'ai déjà appris ce qui signifie mariage des, enfants. Ce n'est pas aussi bien de marier les petits-enfants parce qu'il y a des enfants, s'ils font leur mariage pour accoucher, vous voyez, ils vont avoir des problèmes. Il y a des gens, c'est là-bas qu'ils vont perdre la vue. Ils peuvent avoir beaucoup de problèmes. Il y a des gens aussi, ils n'aiment pas leur mari, mais c'est la famille qui les pousse. Parce que tous mes amis se sont mariés avec des grands hommes comme cela. Vous voyez, tout ça, ce n'est pas bien. Mm. J'ai une amie, elle, elle n'est pas amoureuse de son mari. Mm. Mais chaque fois, il se bagarre dans la chambre. Mais c'est la famille qui l'a obligée de se marier avec lui. J'ai 15 ans. Euh, si tu trouves euh, un mariage, tu, vas te marier Non, non. Pourquoi <laughs> Parce que je suis trop petite. Je trouve euh, anormal le fait de marier les enfants parce que aujourd'hui, si nous faisons le constat, la plupart des jeunes filles qui se marient ont beaucoup de difficultés dans leur foyer parce que certaines prennent la fuite de leur foyer pour chercher une vie meilleure. Parce qu'aujourd'hui, le fait de marier la jeune fille, ça va gâcher son avenir premièrement. Et deuxièmement, il va être rejeté par la société. Nos sociétés devraient interpeller ces parents qui donnent à leur jeune fille en mariage le plus tôt possible pour euh, sauver notre jeunesse la seule chose que je peux faire, euh, c'est de m'adresser aux médias, et dire euh, à la société de laisser ces trucs euh, de mariage précoce parce que ça ternit l'image de notre jeunesse. Est-ce que vous savez qu'il y a des voies de recours Oui, effectivement, il y a des voies de recours parce que L'État peut prendre ses dispositions concernant cette euh, pratique. Je me rappelle quand on était, on était en sixième, il y a une camarade. Elle a été mariée forcément par ses parents. Après un an, elle a fui. Comme on l'a amenée au Lomé, elle a fui sans valise hein, pour venir au Niger, à part le seul habit qu'elle a avec donc on peut dire que le mariage forcé, ça a détruit la fille, hein, la jeune fille. Hein. Au cas où dans ton quartier tu constates qu'on est en train de donner une fille en mariage, quelle serait ta réaction ah, Directement, je vais informer les autorités. Le mariage des enfants, c'est donner un enfant en mariage à bas âge, quelqu'un qui est à bas âge, qui n'a pas atteint au, moins l'âge de la maturité. Donner un enfant, c'est, et c'est, des choses sur quoi on doit, on doit se battre pour, pour éviter des choses comme ça. Vous connaissez les conséquences euh, du mariage des enfants Les conséquences du mariage qui peut survenir quand on donne un enfant ma mariage, le pire, c'est que l'enfant tombe enceinte ou bien par finir de... de toute façon, il y a des choses qui vont arriver parce que l'enfant, il ne s'est pas encore bien développé. Donc, c'est pas normal, c'est pas des choses à faire. Moi, j'ai pas vraiment vécu ça personnellement, mais j'entends parler au moins. Euh, si vous constaterez dans, ton, dans votre quartier ou bien dans votre famille euh, une fille que ses parents veulent donner en mariage, comment serait ta réaction Non, ces choses comme ça, c'est à dénoncer au fait. Parce qu'il faut les dénoncer, même si bah, moi personnellement je peux pas rien dire, mais je peux au moins parler, en parler avec quelqu'un de plus grand pour aller en parler avec eux. Ou bien si ça persiste, de passer par des moyens policiers, par exemple. Aljuma Traoré, quelles peuvent être les conséquences liées au mariage des enfants et quelle est votre réaction après l'écoute euh, de ces avis d'adolescents Bon, j'ai bien écouté donc euh, l'élément sonore et je pense que les enfants aussi, unanimement, ils ont reconnu que le mariage d'enfants, ce n'est pas une bonne chose. Donc que ça devrait être euh, puni, ça devrait être dénoncé. Parce qu'on a rencontré beaucoup de cas de mariage des enfants et les conséquences, on les connaît. D'abord, sur le plan psychologique, la, la fille ou le garçon n'est pas bien préparé. Donc, euh, pour contracter mariage, ça peut causer un traumatisme. Et sur le plan physique aussi, on sait que euh, la fille n'a pas l'âge, en tout cas, de contracter des rapports sexuels. Ça peut être traumatisant pour elle toute sa vie. Et il y a aussi le risque de grossesse précoce, donc euh, que la, fille peut contracter. Et au moment de la délivrance, elle peut avoir euh, des difficultés, des problèmes, notamment la fistule, donc que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est un fléau social dans notre pays. Donc déjà, moi, je pense que, et sans oublier aussi le fait que les enfants qui sont donnés en mariage à bas âge, c'est des enfants à qui on ne donne pas la chance d'aller à l'école. Donc là, c'est un droit fondamental de l'enfant aussi qui est, qui est violé. Et je pense que la conjugaison de tous ces éléments-là doit faire en sorte que nous rejetons de manière catégorique toute pratique donc, de mariage d'enfants dans notre pays. Alzuma Traoré, quelles sont pour vous les avancées enregistrées par le Niger dans le domaine de la lutte contre le mariage des enfants Bon, dans le domaine de la lutte contre les violences et les mariages d'enfants, je pense que c'est vrai, il y a eu quand même des avancées, même si beaucoup reste à faire. les avancées, c'est notamment euh, cet engagement que le président de la République a pris donc de, inlassablement à la lutte contre le marais d'enfants. Et nous avons vu le décret qu'elle a signé, le décret portant eh, protection, soutien, accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité, qui peut être en tout cas un palier qui peut nous conduire à, à lutter contre le marais d'enfants. Même si nous avons demandé, nous avons voulu avoir une loi, mais quand même avec ce décret aussi, je pense que eh, c'est un premier pas qui vient d'être franchi et nous pensons avec l'engagement du chef de l'État lui-même, on va avoir d'autres possibilités. Il y a aussi eh, le comité donc, euh, qui a été mis en place, le comité eh, protection de l'enfant, donc à tous les niveaux. Donc, euh, y un décret donc, au niveau national, au niveau régional, au niveau départemental, au niveau village, donc jusqu'au niveau village. Aujourd'hui, il y a ces comités-là qui sont en train d'être mis en place et qui peuvent aussi être des moyens efficaces, en tout cas, pour remonter les cas de mariage qui peuvent être déclarés et aussi chercher les voies et moyens pour euh, les éradiquer. Est-ce que ces comités euh, sont présents dans tous les villages nigériens En tout cas, nous, euh, au niveau de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violence, nous mettons en œuvre un projet de 5 ans sur le mariage des enfants sur le financement de l'ONG Oxfam dans la région de Tilabiri, notamment au niveau des trois départements Saïtera et Torodi. Et déjà, dans le cadre de ce projet, nous avons mis en place en tout cas euh, des dispositifs de ce genre. Maintenant, avec ce décret-là qui vient nous réconforter, donc les comités sont en train d'être mis en place et je pense que euh, les résultats très probants sont en train quand même d'être euh, enregistrés. Maître Maroumoussa, quels sont les textes nationaux et internationaux qui protègent la jeune fille nigérienne contre le mariage des enfants Merci de m'avoir donné la parole. Relativement à ces arsenaux juridiques, qui vont servir euh, de base pour la protection de l'enfant. C'est d'abord la Convention sur le droit de l'enfant et surtout, il faut revenir au niveau national, les codes de procédure civile, effectivement, et aussi la loi sur la juridiction des mineurs qui également tient compte de préoccupations des mineurs dans la signature ou du moins dans les liens contractuels. Maître, c'est quoi le contenu de cette convention Oui, le contenu de cette convention, c'est une, une protection, c'est-à-dire l'idée, c'est d'aller vers une protection de l'enfant mineur, de l'enfant qui n'a pas le discernement nécessaire pour donner son accord par rapport à tel ou tel autre acte juridique. C'est une préservation, c'est un préalable à conserver pour permettre à l'enfant quand même de ne pas être engagé dans quelque chose dont ils ignorent les sorts probables dans leur exactitude. Et ça, on l'a bien compris et je pense que c'est par la sensibilisation que cela est en train de se faire, les ONG effectivement, et aussi par certains chefs traditionnels qui créent des organismes ou du moins des organes à l'intérieur même des villages pour sensibiliser les enfants ou du moins les parents des enfants pour éviter à ce que cet engagement soit donné au nom et pour le compte d'une tierce personne. Parce que si on dit contrat, on dit engagement et si c'est une tierce personne qui signe, vous conviendrez avec moi que tous les les, les, les, contours n'ont pas été pris en compte parce que je ne peux pas être à l'écart d'un contrat et subir les conséquences de ce contrat. C'est de ça qu'il s'agit mais il est à relever que dans le Code civil, euh, en son article 44 plus précisément, on parle des minorités, c'est-à-dire que la minorité pour se marier, pour l'enfant homme, c'est 18 ans, avant 18 ans révolu. Et pour la femme, la loi dit avant 15 ans révolu. Donc, est-ce qu'il y a une contradiction entre euh, la loi nationale et la loi supranationale La contradiction, elle est difficile à relever difficile à relever. Pourquoi Parce que vous en conviendrez avec moi que, en fonction de la corpulence de l'un ou l'autre femme, vous allez comprendre qu'il y a des femmes à l'âge de 15 ans déjà peuvent quand même contracter, du moins si leur corpulence leur permet de gérer une grossesse et de délivrer sans difficulté. Par contre, D'autres, à l'âge de 15 ans, à la, vue même, on, constate bien que c'est difficile pour eux quand même de, tenir une grossesse jusqu'à terme et sans délivrance avec des problèmes. Donc cela a été pris en compte par la jurisprudence surtout qui essaye de faire la distinction à partir de la corpulence de la femme. C'est important. Ici, la protection qui est visée, c'est pour encourager la jeune femme à poursuivre sa formation scolaire, un encadrement assez aigu jusqu'à un certain âge pour avoir les bagages intellectuels nécessaires pour permettre à cette femme ou à l'enfant mineur de bien vouloir s'engager dans un contrat qui ne doit pas paralyser le fonctionnement ou du moins l'avancée dans sa carrière professionnelle. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que à l'âge de 15 ans, 16 ans, l'enfant qui se donne déjà à un mariage, qui du moins tombe enceinte au bout d'un an, deux ans, est-ce qu'elle est dans les conditions adéquates pour pouvoir poursuivre un cursus scolaire normal ou moins embrasser en tout cas une carrière professionnelle sans obstacle C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, comment faire pour y pallier Parce qu'on a parlé de voies de recours ici, si vous pouvez permettre. Voilà, Ce qui dit la loi. Voilà, on appelle des voies de recours, mais on parle plutôt de recours, ou du moins les actions possibles. Parce que quand on dit voie de recours, c'est comme s'il il y a déjà une décision judiciaire qui est là et qu'on veut attaquer. Quelqu'un s'oppose, qui veut interjeter appel, former opposition, se pouvoir en cassation ou faire autre. Mais les actions qu'on doit engager si de telles situations se présentent, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'il est y a des structures qui peuvent porter plainte des structures en matière de mariage précoce, les structures pour porter plainte, je dirais non. Il n'y en a véritablement pas parce que la loi ne l'a pas prévu. La loi a bien cadré cela. Quelles sont les personnes qui peuvent faire opposition à un mariage C'est naturellement c'est dont le consentement est requis pour le mariage. Les pères, mères et les aïeux à l'absence de pères et mères. Donc au niveau national, il y a des insuffisances au niveau de la loi il y a des insuffisances au niveau de la loi. Au fait, cette insuffisance paraît bien logique dans la mesure où c'est la nature de l'objet du contrat qui fait qu'une tierce personne ne peut pas s'intéresser directement et vouloir mettre en terme à un contrat comme ça. Il faut quand même que la personne qui a le droit d'attaquer ce ces contrats-là puisse être partie à l'initiative. Si tu n'es pas parti au démarrage du contrat, ça veut dire qu'il est difficile pour toi de venir demander l'annulation, même si une partie s'adresse à vous. L'institution l'a mieux indiquée, c'est la justice. Et là, la loi a dit, les parties au contrat peuvent, une fois la majorité accédée, saisir les instances juridictionnelles compétentes pour demander l'annulation du mariage, si une partie se sent lésée. Et pour ça, il faut revenir un peu en arrière par rapport aux causes. Parce que qu'est-ce qui va pousser une partie a demandé l'annulation. Il faut qu'il y ait erreur au préalable, c'est-à-dire avant le, mariage, il y a erreur dans la personne, erreur sur la personne, erreur liée à la démence de l'autre partie, parce qu'un mineur, on ne peut pas savoir systématiquement pendant sa minorité s'il souffre de démence quelconque. Il faut qu'il atteigne la majorité pour qu'on puisse apprécier tout cela. Et aussi, l'erreur sur la personne que j'avais dit, l'erreur sur la personne, c'est la situation qui une personne peut s'engager dans un lien de mariage avec une personne dont il ignore l'état civil, ou du moins s'il s'est trompé sur sa nationalité, ou bien sur sa considération familiale. C'est des choses sur lesquelles parfois les gens reviennent une fois la majorité acquise pour dire Ah, j'avais pensé, j'avais pensé. Si ces éléments étaient déterminants au moment de la signature du contrat ou du moins du mariage, on peut revenir là-dessus après. Et si également après il a été découvert que cette personne, bien qu'il a acquis la majorité, ne dispose pas de ses facultés mentales pour quand même gérer un foyer, l'autre partie qui se sente lésée peut demander à la justice, aux tribunaux compétents, de prononcer l'annulation de ces mariages. C'est tout à fait normal. Et aussi, il y a des cas, euh, c'est rare chez nous, mais c'est des situations, on appelle erreur dans la personne. Bon, c'est une situation qui est difficile à expliquer. Dans la personne, on dit si par exemple une fille un homme se marie à une fille, et que par après, elle constate que cette femme n'est pas, entre guillemets, vierge. Après, la personne, si à travers, qu'elle aura acquis la majorité, il constate qu'effectivement, ces valeurs-là sont déterminantes et que pendant son mariage, elle n'a pas eu la chance d'avoir cette chance. Il y en a qui engagent des procédures pour demander à ce que le mariage soit dissous. Tout ça, l'éducation et la sensibilisation doivent avoir un pas important Maître Mourou Moussa, comment pallier à toutes ces insuffisances Pour pallier à ces insuffisances, comme je l'avais dit tantôt, c'est la sensibilisation, parce qu'on est confronté à une situation euh, de complexité totale. Des gens qui vivent en campagne font la transition vers les grandes villes, qui s'implantent et aussi participent à la vie des gens qui sont ici en ville et dont le mode de vie ne coopère pas, c'est-à-dire il n'y a pas une, bonne, une grande coordination. Alors comment faire ceux qui viennent vont essayer d'hériter ou du moins d'épouser un peu la pratique existante. Et l'autre, de l'autre côté, on essaie de les sensibiliser pour dire non, tel comportement, tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas. C'est pourquoi notre association, dans ce sens, nous avons initié de créer des centres où les, euh, les jeunes filles et les jeunes femmes qui viennent des campagnes soient regroupées dans des centres pour être sensibilisées et pour pouvoir être, pour pouvoir répondre ou du moins comprendre les modes de vie d'ici et les modes de vie d'où ils viennent. Parce qu'ils ne sont là que pour des temps bien déterminés. Quelqu'un qui est là pour deux mois, trois mois, quatre mois, tu viens, tu prends les pratiques de la ville, tu essaies de les transposer en ville, ça va entraîner, ça va entraîner quand même un déséquilibre parce que c'est inhabituel en campagne. Si on l'applique, ça devient une situation inhabituelle. Et si elle révolte, d'autres vont voir ça, comprendre ça et essayer de se révolter aussi. Et c'est un peu difficile de faire l'équilibre. Est-ce que l'Assemblée nationale ne peut pas légiférer dans ce sens L'Assemblée peut légiférer, mais le problème, ce n'est pas les lois. On a assez de lois, on a assez de personnes compétentes pour mettre en œuvre ces lois mais il ne s'agit pas de, légiférer. Parce que la loi est là, euh, elle n'est pas divulguée, elle n'est pas connue, les gens ne connaissent pas le contour, l'intérêt de visé par cette loi. Je pense que l'application serait difficile. Il faut sensibiliser, recueillir les avis avant de promulguer la plupart des lois qui concernent les mineurs, les jeunes enfants, les jeunes garçons, les femmes, ne sont pas connues par les objets même, c'est-à-dire par les personnes intéressées. Et c'est ça le problème, c'est ça le travail. Le travail doit être fait à la base pour remonter à l'Assemblée et non le contraire. Si on recueille à l'avance les préoccupations des jeunes femmes, les besoins en formation et en sensibilisation, et on transpose ça à la loi, il n'y aura pas de difficultés dans l'application. Mais si on essaye d'imposer des comportements dont on ignore d'ailleurs comment ça fonctionne dans telle ou telle autre culture, ça serait difficile que les gens obéissent. Et vous en conviendrez avec moi que l'application serait difficile et les gens vont se sentir agressés par les pouvoirs et il y aura des révoltes. Madame Salamatou, quels sont les obstacles rencontrés par l'UNICEF ou ses partenaires pendant les missions de terrain Les obstacles, on rencontre pas mal. Il y a une faible synergie des autres acteurs qui interviennent au niveau du problème de la scolarisation des filles. Il y a cette appropriation, ces outils qu'on produit ne sont pas appropriés par tous les membres de la communauté. Il y a aussi, dans le cadre de la protection, des filles qui sont violées, des filles qui sont mariées de force. On a ces informations, mais elles ne sont pas remontées au niveau des comités de protection villageoise de l'enfant qu'on a dans les villages, qu'on a dans certaines communes. Il y a aussi le faible financement des initiatives communautaires, comme la scolarisation par l'autonomisation, comme je vous ai dit, les centres de formation des métiers. On aurait bien voulu que quand ils sont implantés, ils soient implantés dans chaque commune. Et nous voulons que les municipalités appuient, appuient ces centres pour qu'on puisse faire sortir toutes ces filles-là et qu'on puisse leur donner quelque chose à faire au lieu d'aller de, penser à les marier. Mais aussi, il y a le manque d'opportunités. Les filles sont là, elles n'ont rien à faire, donc les parents préfèrent les faire marier. Salamatou, existe-t-il un lien entre mariage forcé et le mariage des enfants Moi, je pense que c'est presque la même chose. Un mariage forcé, c'est sans le consentement de l'un ou de l'autre époux. Le mariage des enfants aussi, le plus souvent, ça se fait sans le consentement de l'un des conjoints. Nous intervenons aussi dans la gestion de l'hygiène menstruelle. C'est quelque chose qui se passe que les filles n'ont pas l'information. Le plus souvent, le parent, dès que la fille est en période de menstru, elle arrive à avoir ses règles, ses premières règles, il dit, ah, il faut la marier parce que sinon... Mais je pense que les parents doivent être formés sur ça parce que c'est leur droit. L'étude que nous avons menée en 2016, nous avons travaillé avec les, leaders communautaires, les religieux et à la fin, quand nous sommes partis faire la restitution de cette étude, on a montré juste que seules les filles qui ont été au Makranta ont eu l'information sur l'hygiène menstruelle parce que vous savez, une fois qu'elle est en menstrue, la fille ne doit pas aller à la mosquée, elle ne doit pas prendre le, livre pour lire. Alors, quand nous sommes retournés pour faire cette, la restitution de cette étude, est-ce que ce n'est pas le rôle des parents de former la fille sur ça. Parce que c'est comme ça le corps, le, le corps de la femme est fait. Donc c'est à eux de faire cette éducation, à eux de faire cette formation. Et sur le terrain, nous avons trouvé aujourd'hui des parents et des marabouts qui nous ont dit, oui, nous prenons en charge ça et c'est notre devoir et nous devrons le faire. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on devrait faire. Aujourd'hui, avec le développement technologique et tout, les filles sont plus précoces. Vous avez des filles de 9 ans, de 10 ans qui voient les règles très tôt. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles on doit prendre les parents, les les enfants, les filles doivent être formées et les enseignants, parce que le plus souvent, vous avez des filles qui vont à l'école et que dès que par méconnaissance le pagne est taché ou la jupe est tachée, elle est stigmatisée par les enseignants, par les élèves, par les filles, par les garçons. Je m'en vais juste vous raconter une histoire aujourd'hui au Kenya où la fille, parce que tout simplement, elle ne savait pas, elle a taché sa jupe. L'enseignante c'est une enseignante. Elle a stigmatisé la fille. Au retour, la fille s'est suicidée. C'est quand même un phénomène sur lequel nous ne devons pas nous arrêter, on ne doit pas se taire. Il faut former l'information, il faut donner l'information. Parce que aujourd'hui, dans le cadre de la gestion de l'hygiène menstruelle, en donnant l'information, c'est quand même une partie pour pérenniser. Parce que quand on a déjà l'information, c'est quelque chose et ça peut tenir et ça peut changer. Maître Maroumoussa, comment lutter efficacement contre le mariage des enfants Pour lutter efficacement contre le mariage des enfants, je pense que on doit ici, tout de suite et maintenant, s'engager. S'engager avec la génération actuelle, la génération consciente actuelle, pour qu'on puisse être convaincu de la question. Parce que si on essaye, ou du moins si on tente de rattraper les erreurs passées par rapport à ça, on risque d'être en retard ce qui est fait est fait, on a l'habitude de le dire, mais il ne faut pas que ça continue parce qu'on a tiré les leçons du passé. Et pour ça, nous, jeunes actifs, nous, associations, nous, juristes, nous, avocats, nous, nous, responsables et parents, nous devrions prendre la responsabilité pour y mettre fin. Nos parents, qui n'ont pas du moins compris cela à un moment, je pense qu'aujourd'hui, la plupart ont compris ou du moins, même s'ils n'ont pas compris, ils ne sont pris par un décideur. C'est nous, génération consciente, qui a finalement compris qu'il doit changer la donne. Alzuma Traoré de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violence Familiale. quels sont les obstacles ou encore vos difficultés sur le terrain Moi, je pense que euh, euh Maître a, eu à le dire. Euh, aujourd'hui, les obstacles, il y en a. du point de vue de la législation, moi, je pense qu'il euh, y a des choses quand même qui, peuvent être faites. Notamment quand on considère, euh, aujourd'hui nous recevons beaucoup de cas de mariage d'enfants et nous intervenons avec euh, l'appui de la brigade des mineurs ou des, juges des mineurs à annuler des mariages, à, à empêcher quand même la célébration de certains mariages. Et même au niveau village, il y a les leaders aujourd'hui, les leaders communautaires qui sont avec nous. Et chaque fois qu'il y a un mariage qui va être célébré, si eh, la fille en question n'a pas l'âge requis, ils annulent, empêchent la célébration de ce mariage. Ça, c'est déjà une chose importante. De l'autre côté aussi, comme j'ai eu à le dire, eh, le juge a la possibilité aussi d'annuler un mariage. Mais là où la difficulté réside, c'est qu'il n'y a pas de sanction. Au Niger, pratiquement, il n'y a aucune, a aucune disposition aujourd'hui qui dit que quand quelqu'un donne son enfant en mariage, il va être poursuivi. Il n'y a pas. Et quand on considère par exemple la, loi 214-72 euh, portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux pour mineurs dont Maître a eu à, parler, et cette loi, dans son article 6, énumère donc euh, un certain nombre de choses dans lesquelles on peut considérer un mineur en danger. Mais là-dedans, il n'y a pas le malade des enfants. Donc vous voyez, ça aurait été que le mariage des enfants a été énuméré dans cette loi. Moi, je pense que ça peut ouvrir une voie aux magistrats quand même pour essayer de réprimer. Parce qu'avant tout, c'est la vie d'un enfant qui est mis en danger. De l'autre côté aussi, je parle sous le contrôle de maître et qu'on sait qu'au Niger, et comme partout ailleurs d'abord, on dit que la loi pénale est d'application stricte. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire de transposition. Tant que le code pénal ne dit pas expressement que celui qui donne un enfant en mariage doit être passible de telles sanctions, on ne peut pas faire de transposition. Donc là, moi, je pense que c'est une difficulté que si on essaye quand même d'y remédier, peut aider à dissuader certains parents parce que c'est de ça qu'il s'agit. Au Niger, Dieu merci, les gens ont peur quand même de l'autorité publique, les gens ont peur de, de la loi. Donc, si quand même il y a des dispositions qui peuvent dissuader les parents à ne pas donner leurs enfants en mariage, je pense que ça serait une bonne chose. Pour le moment, on se contente quand même de mener des actions visant à annuler ou à empêcher quand même la célébration des, des mariages, parce que c'est empêché. Parce qu'une fois que le mariage est célébré aussi, là du coup, moi je pense que maître, maître, maître peut-être va nous édifier là-dessus. Donc déjà, si le mariage est célébré, l'enfant ne peut plus être considéré comme mineur parce qu'il est émancipé par le mariage. Donc là, vraiment, c'est des difficultés. Alzima Traoré, quel est l'impact euh, des interventions de ces ONG dont vous faites allusion et association pour euh, l'accompagnement de l'État euh, et de la promotion des droits des filles au Niger Bon, vous voyez, déjà, il y, a des, eu quand même des avancées. Et ça, je pense que c'est à mettre à l'actif de, ces ONG nationales et internationales qui ont mené quand même des plaidoyers et qui ont abouti à ce décret dont j'avais parlé ce décret qui vient quand même euh, essayer de corriger certaines disparités qui font que les enfants subissent ce mariage-là et aussi des enfants sont dans des difficultés. Notamment euh, quand on parle par exemple de l'abandon scolaire, on sait que euh, dès qu'on donne un enfant à bas âge mariage, c'est qu'on compromet son éducation. Donc, et là, on l'oblige à quitter l'école pour être donné en mariage. D'autres choses aussi, il y a certains aspects qui font que les parents, par exemple l'éloignement, l'éloignement des établissements scolaires, de lieu d'habitation des, des, gens font que des filles de foi abandonnent abandonnent l'école tout simplement sous le prétexte qu'elles ne peuvent pas assurer, faire toutes ces distances-là, aller revenir. Et tant que la fille ne va pas à l'école, ça donne un motif valable pour le père, voyant la fille qui est là, qui ne fait rien, donc de, la donner en mariage. Et aujourd'hui, eh, au Niger, on constate que euh, à un certain moment, nous avons lutté, lutté pour qu'il y ait la scolarisation de la jeune fille. On y est arrivé. Aujourd'hui, dans la plupart des écoles, vous allez constater que l'effectif des filles est supérieur à celui des enfants. Mais aujourd'hui, le gros problème, c'est le taux d'achèvement de l'école pour ces enfants-là. Le maintien le, Oui, le maintien. Vous allez voir que euh, les filles quand même sont largement derrière les garçons. Et là, on essaie d'établir, de corriger cette disparité-là pour que les filles et les garçons aient les mêmes droits et la même possibilité quand même de poursuivre et d'achever le cursus scolaire. Maître Marou euh, Moussa, euh, y a-t-il une politique nationale de protection de la jeune fille au Niger La politique nationale de la protection de la jeune fille ne peut pas être autre que les instances juridictionnelles déjà en place, c'est-à-dire principalement les juridictions des mineurs. Ces juridictions des mineurs, effectivement, sont les instances qui peuvent participer à la non-commission des mariages des enfants. Pourquoi Parce que un mineur scolarisé, c'est déjà y a la justice, c'est déjà qu'il y a un juge des mineurs acquis à leur cause. Si de tels mariages sont initiés ou ont été initiés par les parents, à l'endroit des mineurs, ils peuvent saisir, l'enfant peut saisir les juges des mineurs. Il y a eu des cas à Telabéry auxquels j'ai participé pour dire Ah, on s'apprête à me donner un mariage, je suis contre. Essaye de voir avec mes parents si on peut quand même me, laisser poursuivre mon cursus scolaire. Les juges des mineurs interviennent dans ce genre de situation. et là où il n'y a pas de juridiction, comme dans les villages S'il n'y a pas de juridiction des juges des mineurs, la personne peut s'adresser à l'autorité administrative sur place les maires peuvent le faire, les conseillers même, bien que la plupart ne sont pas des intellectuels, ils <laughs> participent <laughs> même à la commission de cette forfaiture, mais si quand même il y a des autorités compétentes et administratives, je pense qu'ils sont tous habilités à recevoir les plaintes de ces genres et de les porter à la connaissance de qui des droits. Ça se fait parce que chez nous, par exemple, notre maire est avocat et il interdit en tout cas au mieux qu'il peut la commission de ces genres de fractions. Et cela est dû parce qu'il est avocat et donc il est redoutable. Avocat et maire, s'il donne des instructions dans ce sens, on est obligé de suivre parce que le maire, vous savez, peut demander à ce qu'une personne soit interpellée. Même si c'est par abus, il peut dire voilà, interpeller cette personne pour empêcher ça. Ça intimide le temps de voir comment arranger les choses. Et plusieurs mariages ont été bloqués dans ce sens, par des sens d'intimidation. C'est pourquoi ce n'est pas aussi parfois bon de sensibiliser sur les voies utilisées. Parce que pour faire du bien, parfois, on peut passer du côté de la loi, mais qui a ses avantages. Si on intimide quelqu'un, c'est la base, parce que quand on est professionnel de droit, ou du moins on occupe certains rangs dans la société, si on donne des instructions, que ce soit légal ou non, les gens vont suivre. Et c'est en connaissant de cause qu'on donne ces instructions en donnant des instructions comme ça, même sans base légale, pour empêcher ou bien pour permettre à une jeune fille de poursuivre sa scolarité, je crois qu'on n'a pas fait du mal. Maître euh, Marou et si le chef de village lui-même est complice Si le chef de village est complice, c'est très difficile. Et maintenant, je pense que Dieu merci, la chose, la tendance est en train d'être inversée. Parce que les chefs de village n'ont pas l'autorité d'attendre. Maintenant, ils ont moins de pouvoir sur les gens parce que les gens ont compris, ou du moins quelques éléments de la famille ont compris que l'autorité du de village est très limitée et que ça ne doit pas pousser à l'imposition de l'anarchie ou bien de son bon vouloir plusieurs désobéissent. Et je crois que c'est une très bonne chose et c'est l'effet de la sensibilisation, effectivement, des ONG qui font le tour des villages pour essayer de faire comprendre que le chef du village a ses pouvoirs limités et que voilà, il faut se référer à telle telle personne pour porter telle ou telle autre revendication. Maître, si la fille consent, est-ce qu'on peut célébrer le mariage euh, Ça dépend. La fille mineure et la fille non mineure. La fille mineure. Si la fille mineure consent, ça ne suffit pas le consentement des époux également est requis. Parce que l'enfant mineur n'a pas de discernement. Son consentement n'est pas éclairé. Même si c'est donné, c'est pas éclairé. Comme je l'avais dit, l'enfant mineur ne sait pas le contenu exact de ce contrat. Donc, ils ne peuvent pas donner son avis sur ce qu'il ignore déjà. C'est les parents des époux qui viennent compléter ce consentement. Et si les parents sont tous d'accord, le consentement est considéré comme acquis. Et s'il y a des avis partagés des parts et d'autres, c'est considéré aussi au regard de la loi comme acquis. C'est de ça qu'il s'agit. Dans tous les cas, le consentement des parents est requis et nécessaire pour la célébration du mariage de l'enfant mineur. Alzuma Traoré, quels sont vos conseils, recommandations ou propositions de solutions pour une meilleure promotion, l'accompagnement et la protection de la jeune fille au Niger Moi, je pense que hum, déjà en 2019, il y a un décret qui a été pris par le président de la République et qui porte sur la création, les attributions, l'organisation et la composition et fonctionnement de, du comité de protection de l'enfant. Et je l'ai dit tantôt, il y a le comité au niveau national, au niveau régional, au niveau départemental, au niveau des communes et jusqu'au niveau des villages. Au niveau, eh, par exemple, au niveau des, régions, c'est le gouverneur le, ou son représentant qui est le président. Au niveau du département, c'est le préfet. Et au niveau des communes, c'est les maires. Donc, moi, je pense qu'à tous les niveaux, il y a ce comité. Donc, s'il y a un problème, les gens peuvent quand même saisir ce comité-là qui qui peut quand même prendre des dispositions eh, pour vraiment eh, essayer de, régler ce problème. Avant, ce comité-là, avant 2019, c'était le comité qui était dirigé par les magistrats, par les, juges qui sont au niveau des, différentes entités. Mais depuis 2019, il y a un décret qui a été pris donc pour eh, donner la présidence de ce comité-là, soit au gouverneur, au préfet, au maire, ou bien en tout cas jusqu'au niveau village. Et je pense que ça, ça peut être vraiment eh, une opportunité pour les gens qui, qui, qui sont dans ces situations-là de chercher à contacter eh, ces responsables-là pour qu'ils puissent vraiment eh, plaider leur cause. Parce que ces comités-là, ils ont quand même la possibilité de, de faire beaucoup de choses. Et je pense que c'est déjà une bonne chose. Maintenant, ça, je pense que c'est pour pallier au fait que tout à l'heure, Maître disait que c'est vous même qui avez posé la question de savoir s'il n'y a, pas, n'y a pas de juridiction dans, le, dans la localité. Bon, bien qu'aujourd'hui, quand même, la majeure partie des localités du Niger sont couvertes, entre guillemets, mais quand même, et par rapport au juge des mineurs, ce n'est pas aussi ce n'est pas le cas, ce n'est pas dans toutes les juridictions qu'il y en a. Mais aujourd'hui aussi, dans certaines juridictions, on a même des procureurs pour mineurs. Donc moi, je pense que c'est une avancée. Et c'est des choses quand même qui sont des décisions qui sont en train d'être prises et qui vont beaucoup concourir en tout cas à, à lutter efficacement contre euh, tous les abus dont les enfants sont victimes. Maître Marou Moussa, euh, quels sont vos conseils, recommandations, propositions de solutions pour une meilleure promotion, l'accompagnement et la protection de la jeune fille au Niger Tout à fait. Je vais m'aligner à mon qui était là ici présent, parce que effectivement le décret a prévu en tout cas des instances assez solides et à tous les niveaux pour pouvoir en tout cas prendre en compte ces situations. Mais la composition de ces instances fait défaut. Nous avions apporté des critiques au moment de ces décrets pour dire on ne peut pas, dans le cas de protection des mineurs, créer des instances sans exiger à ce que les juristes soient participés à chaque niveau, qu'il y ait au moins un magistrat membre, un avocat membre et des ONG aussi qui participent à ça. Si déjà à la présidence, on attribue la présidence ou du moins la, euh, la gestion à une personne politique qui n'est pas stable, c'est vrai qu'il contrôle euh, la région ou le département à un moment donné pour des circonstances la préoccupation ne serait pas la même si c'est attribué à des juristes, à des avocats, des magistrats ou à des ONG qui sont évalués sur ça. Parce que c'est leur préoccupation, c'est leur objet. Donc, je pense qu'ils seront plus sérieux à mener cette mission et à exiger des résultats que des personnes politiques qui, euh, je peux le dire si vous me le permettez, sont là pour des causes politiques et qui, après cette cause, ou du moins pour des situations tellement légère, on peut bafouer leur autorité. Donc, selon vous, Maître Marou Moussa, il y aura d'autres pistes à prospecter Il y aura d'autres pistes à prospecter et à renforcer les pistes déjà, ou du moins les instances déjà sur place. C'est vrai que c'est à les mettre en œuvre, ce qui fait encore défaut, qu'on va découvrir au fur et à mesure les insuffisances et essayer d'amender. Mais la mise en place effective de ces instances fait défaut. Les moyens de leur fonctionnement, de leur mise en œuvre, restent encore un problème. Mais si le schéma est déjà fait, on pense que l'habillage va suivre avec la volonté des uns et des autres. Au Niger, le phénomène du mariage des enfants est particulièrement des filles et encore une problématique toujours vivace en dépit des conséquences et des efforts du gouvernement et de ses partenaires pour lutter efficacement contre ces fléaux qui sapent le développement du pays. Nous sommes au terme de ce forum de Studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Salamatou Himou, chargé de l'éducation à l'UNICEF Niger. Maître Marou Moussa, avocat à la Cour et chargé de droit et plaidoirie de l'Association de défense et de protection des femmes et des enfants ADEP F Espoir. Et Alzuma Traoré, chargé du programme de l'ONG Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales SOS FEV. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 41 radios partenaires. Merci, au revoir.